Bonsoir, toute la jeunesse dakaroise. Je vous salue. Je vous salue. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Dakar a renoué avec les fêtes de fin d'année. Il y a quelques années, nous avions fait une aussi belle fête, mais celle-ci, elle est très belle. Elle est dédiée donc à la jeunesse sénégalaise pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Je rappelle que je voudrais quand même toujours continuer à lancer mon, mon slogan de Dakar Ville propre, parce que c'est sur vous qu'on comptons pour que la ville soit propre. Vous, la jeunesse, vous êtes l'avenir du pays. C'est à vous de donner le bon exemple. Alors, Dakar Ville propre, ça commencera ici, sur la place de l'obélisque. Il ne faudra pas salir cette place. Il faudra qu'à la fin de la cérémonie, qu'on ne ramasse pas un seul bout de papier ou en plastique. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cet endroit vous appartient. Vous êtes là pour fêter 2020. Alors soyons des citoyens, de bons citoyens. Soyons propres, propres dans notre environnement. Et cet environnement vous appartient. Cette belle place vous appartient. C'est à vous de la protéger, de la préserver. Merci encore. Bonne fête. Merci aux partenaires qui nous ont accompagnés. Merci aussi à la RTS qui est en train de diffuser en ce moment ce bel événement qui marque le début de l'année 2020. Merci beaucoup. Je voudrais quand même donner un petit mot à Bamba Fall, qui est le maître d'œuvre, qui est adjoint aussi au maire de la ville de Dakar, maire de la Médina, mais c'est lui le chef d'œuvre de cette belle manifestation. Monsieur Fall, vous avez la parole. Merci beaucoup, maman. Donc, ce que vous savez, de Dakar dafa ñëw pour bégal population Dakar gépp bisu tey bii dañuy dugg ci at mu bees madame ni ko président waxee sànq ci tele bi Sénégal dafa war a changer xar kanam dañoo bëgg mu set wicc madame le maire ni kenn du ko ci jiitu di ànd ak xale yi Sénégal ñi dañoo bëgg Dakar ñu def ko Dakar ville propre merci beaucoup le maire ñu ngi gërëm équipe bu DCT bi yëpp ñu gërëm comité bi yëpp tamit bàyyiwuñu Matar Diop félicitations Serigne Serigne félicitations tu l'as réussi vraiment je vous remercie di remercier partenaires yi nga àndal yëpp réussir lii di remercier képp ku ci jàpp di wax ni madame le maire moom nee jeunesse bi ñooy partenaire am kon rencontre yu mel nii dina am yu bëree bëri ci biir bi semaine de la jeunesse nak, mom day am temu bopam. boppam de Dakar la indiwaat ci semaine de la jeunesse bu ko faits ñu dugg ci école yi dugg ci jardin d'enfants yi dugg ci mosquée yi dugg ci plage yi dugg ci marché yi nga xam ne buñ ci paree Dakar na set loolu la madame le maire waxoon kee xale yi ci wolof ñu xam ne ndakaaru ñoo ko moom ak église yi tamit Dakar ñoo ko moom te war naa set tamit ben Serigne nee na c'était pas très difficile pour mu ànd ci ak la mairie de Dakar def benn spectacle pareil

Matar Diop Badara Gadiaga et sa bande tout le monde nous ngi merci à la mairie de Dakar Babacar également l'artiste Babacar nous ñëpp ñu merci monsieur Bambafal, l'ami de la jeunesse également nous ngi merci madame le maire li Baréoul, mes mais bu c'est pour Dakar, sa jeunesse saine pour Wartan ak ñoom te li mu qui wax mooy seet ci bëgg sa Sénégal 7 bëgn nous avons commencé 7 7 albis, tout cas defé ñuy avancer du dem en profondeur